Aujourd'hui la fada emprunte les ailes, l'arc et les flèches de Cupidon. Kowane sha hudu na watan gobe kenan cikin kasashen duniya da yawa sallan masoya ce. Échange de cadeaux, chocolat, bijoux, parfum. Ina jin wannan ranar ce kadai zaka kai ma 'yan mata fleur. Et puis ça passe. Hein. Sinon, d'habitude, les fleurs, ça passe pas chez nous, au fait. <laughs> Mais le 14 février, euh, tu peux offrir hein, un, bouquet de fleurs et puis euh, ça le fait, quoi. Dans un article du magazine Marie-Claire, ils disent que la Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne et que Valentin n'est pas vraiment un saint mais un prêtre martyr dans la mort est fêté le 14 février. A le chocolat est-il toujours d'actualité Pourquoi matin comme cadeau Entre le syndicat et les sugar la guerre fait rage sur les réseaux sociaux. Qui va l'emporter demain soir La fada s'est installée dans un établissement spécialisé de la confection de coffrets cadeaux cadre idéal pour parler de cette fête des amoureux. Nous avons ici euh, comme invité Madame Binta Hassan, promotrice du gift. Madame, ça va, vous allez bien Bonjour, je vais bien. <laughs> Bonjour, et vous-même Ça va. Au plaisir de vous accueillir au gift, notre modeste euh, lieu. Ah, euh, on est là. Quand même. Merci. Bien merci, coloré là. Merci. <laughs> Nous avons Hassana Hassan. Elle est étudiante. Hassana, ça va Oui, ça va, bonjour. Kinalahia. hier ça va. Salam, bienvenue sur tout Fada. Merci, merci. Haruna Naino, il est étudiant. Haruna, ça va Ça va, Alhamdoulilah. Yannis, c'est bon Ça, ça va, demain. prêt pour demain Ouais, je suis bien prêt. <laughs> <laughs> nous aurons un Vox Pop, la rubrique préparée par Tandy et la chronique de la Fada et bien sûr de la musique. Il n'y a pas de Fada sans Valentin, sans musique et elle nous accompagnera tout au long de l'émission. Menu spéciaux Saint-Valentin, article pour les cadeaux. Shaguna, de sont à l'occasion de la fête des amoureux cette fête, ça vous dit quoi au fait J'ai l'impression que les filles sont plus emballées que les garçons parce qu'on a salle quoi Madame Binta. Bon, c'est vrai que la fête de Saint-Valentin, moi je me dis que c'est une fête pour les amoureux, pas que ah les filles. C'est vrai que les filles, elles attendent leur cadeau de leur bien-aimé. En ah. principe, c'est ce qui doit se faire. Ouais. Euh, je peux vous dire que on doit oublier cette mentalité où bon, tant que euh, la fille ne fait pas un cadeau, l'homme ne fait pas de cadeau ou quoi. Et la, fête de Saint-Valentin, c'est une fête qui unit les deux. C'est une fête réciproque. Ah, la ah. fille comme le garçon peut faire un cadeau, c'est réciproque au fait. C'est pour euh, vraiment montrer le degré encore plus le degré d'amour. En ce jour-là, on pense à l'autre. Moi, je me dis que c'est une fête pour tous les deux. <laughs> voilà. D'accord. un euh, Haruna, Zandawaranka, toi, ça te dit quoi Saint-Valentin D'habitude, les garçons, ils sont pas très emballés, mais même si, en fait, ça te dit pas grand-chose, kana iya in ita dai abin na birge ta ko eh to ita dai sallar san valentine hmm. ba ta mata kaɗai bace ba kuma ba ta samari kaɗai bace ba in hmm. aka ce kuma kupul kupul kuma ba mutum guda ne. mutum biyu ne kenan sallar ta kamata ta zama ta su biyu murna ce kuma abu ne wanda zai ƙara haɗa su menene abu ne wanda zai ƙara haɗa su lokaci ne na ka nuna ma masoyinka kana son shi lokaci ne wanda ya kamata a ce ka nuna masoyinka Mm. kana san shi kana san shi ba kuma lokaci ne wanda yake iya ƙara haɗa kuma jinin ku wala <laughs> kenan ina gane kai dai ce que tu vas dire au garçon comment a ce kai sallar bon c'est tu trouves que t'es pas trop romantique en fait si dai elle elle est emballée tu peux lui faire plaisir c'est ça oui bien On sûr peut lui faire oui plaisir. bien sûr ya kamata on peut lui faire plaisir oui bien sûr d'accord c'est très important yanzu <laughs> ku da kuke nan tare da mu ina so in san ya ne kuke shirye-shirye wannan sallar ta gobe vous avez prévu quoi hasana bon pour la Saint-Valentin, nous, on a prévu l'amour. <laughs> ça, c'est bien ça. C'est le thème. <laughs> On a prévu l'amour, on a prévu de se retrouver. On a prévu de s'aimer et d'être surtout très, très, sincère, très sérieux dans notre amour. Euh, surtout, on ne veut pas de Saint-Valentin sans cadeau. Ah oui, car c'est important. Ah, oui. <laughs> c'est crucial. On veut pas de Saint-Valentin sans cadeau. Ouais. On connaît Agi. qui est cikin wannan rahoton na farira mamman wasu matasan sun kuma sun gaya mana su ma wannan sallah ya suke shirinta kuma wasu sun yi zance bisa kan wannan harkar na sugar daddy. samari da ils se sont exprimés euh, sur cette question ils se sentent un peu en danger quand même on les écoute et on se retrouve juste après C'est simple, on l'organise en souhaitant qu'il s'assoie, genre inoubliable avec la personne à qui on tient réellement. Ce serait au niveau du fleuve du Niger. Et moi, je n'organise rien. Maintenant, je ne fête plus les Saint-Valentin parce que maintenant, je suis un peu mature et c'est une question aussi de religion. Si, mais il y a certains paramètres de la jeunesse qui. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas une préférence, ça. Ça, ils sont à la quête de l'argent. Sugar Daddy, c'est un vieux de 60 ans avec une fille de 19-18 ans. Il n'y a, pas, il y a pas une concurrence entre. Bien que la religion ne condamne pas ça, mais leur objectif, ce n'est pas d'être heureuse, mais d'avoir de l'argent parce que les, vieux ont de l'argent. Je pense que les filles-là qui préfèrent les sugar daddy ne jouent pas du vrai amour. Je pense bien, même si on est amoureux, on n'attend pas la fête de Saint-Valentin pour organiser des cadeaux. quand on s'aime, toujours on prépare toujours des cadeaux. Quoi. On est dans le processus de préparatif. Bon, ça dépend. Les cadeaux, ça dépend de ce que ta copine veut peut toutefois l'inviter dans un restaurant, passer du beau temps avec elle ou bien préparer un cadeau, l'emballer. Voilà. Et concernant cela, ça c'est une triste réalité. Parce que les, les, vieux, ce sont eux qui ont, qui ont les moyens pour offrir les, les grands cadeaux à nos camarades filles qui préfèrent sortir avec les vieillards que de sortir avec nous, vu que nous n'avons rien pour les offrir les cadeaux qu'elles souhaitent avoir de faire très attention parce que les vieux, là, des fois, ils ne se laissent pas faire. Oh, ils ne font pas de cadeaux, comme ça. Ils ont toujours des attentes à l'égard de ces dernières. Bon, avec les vieux, des fois, sérieusement, des fois, c'est pas de l'amour. Voilà, Binta, qui je matasan. En fait, ça va un peu dans tous les sens, c'est vrai. On est un cadeau, parce que le on est dans un ya ci wannan zancen To, Eh, sun ce sai vrai mutum ya ce bai da kudi kuma eh, eh, ondi baka da kudi baka iya amma abun ga san valentin ranar ga da zamu shiga mm. rana ce da ko baka da shi kana iya abun da gare ka wanda yake cikin aljihunka sai ka ce bari in tuna ga masoyata in mata wani abu da ko ba abun da baka iya ne mai abun da ka san karhinka mm. sai ka sai mu mutunan tunda eh. wani ya ce ba eh, san barantan kadai ne zaka ce kai ma mace kado kullun ka kamata kai kado bari in dawo wajenki Hassana en fait cette affaire de genre sugar daddy machin quoi le truc pour toi c'est quoi le l'essentiel qu'il faut pour bien fêter la Saint-Valentin en fait en dehors d'avoir une copine bien sûr qu'on aime et un copain qu'on aime mine ne kamata ce Canada pour bien fêter cette fête ya kamata ce kai namiji hmm. in lalle ka san kana so yarinka bai kamata ka tsaya kana wani comparison na shuga dadi da kai da kanka mhm. menene matsalan mutane sai ka mutane ba su gane da kowa shuga dadin kanshi ne tunda zuciya shi yake yin shuga dadi mu yanzu maza 'yan zamani jan jan nan matsalar su shine in budurwa ta tambaye su ko wani kado hakan ga na san valentine sai su dinga wani bani da bani da ke ma san cikin sha'anin da nake yo baka da dami za ka yi budurwa in ka san baka da kakai dan ka kaɓata ma kanka rai kuma ka kaɓata mata rai me asalin shine in dai ka san lalle kana son budurwarka ko me ya kamata ka yi da ranar nan kamata ka ta shi daɗi ya kamata ka mata eh, ne matsalar shi ya kamata ce yau ga ranar san valentine ranar soyayya ta kai ka budurwarka tana tana kallon kadan wani ko tana kabila a telefon tana kallon na in wani tana jin daɗi kai kana na zaune yo dan me yasa baka ta neman kanka yo in ma asusun ka kai asusu in dai kana son ta lalle lalle kana son ta shekara ce gare ka da ya kamata ka shirya ɗan dimil ɗinka ko ɗan kyansa milinka ka ta ka bata wani abu da zai shi daɗi paske rana ce da mutum bai manciya eh, paske le 14 fevrier babu shi le 14 mars babu shi le 14 avril kenan wani harkar shuga dadi duka duka zance ne duka wannan bai taso ba bai taso ba in ka ji ciwo kama da kanka ka san shuga dadin ta shikenan <laughs> to hasana a parlé on va aller avec la rubrique don d'Ondike Sarafa mana et on va se retrouver juste après kure kun ji abin da ce wani wani shuga dadi wani waye waye duka wannan zancen bai taso ba <laughs> Sans sans famille. Pour manger, on mendie. bara abinti wai. Allah yaba Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Vous êtes connecté un peu partout au Niger. Merci pour votre marque de confiance. Merci pour votre fidélité. L'émission Tous à la Fada est une émission du studio Kalangu consacrée à la jeunesse nigérienne. Une rubrique consacrée à l'artiste nigérien se passe comme ça les samedis et dimanches sur cette émission. Dans un premier temps, vous vous rappelez certainement de cette rubrique qui quand même a fait une mention spéciale sur la Covid. La saison deux de cette émission ou de cette euh, rubrique parlent de l'artiste, sa vie, ses œuvres artistiques. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste nigérien talentueux. Il fait partie de la deuxième génération du mouvement hip-hop, mais in Niger appelé aujourd'hui la musique urbaine. Il a certainement représenté vaillamment dans le temps les couleurs nationales, puisqu'il a évolué au sein d'une formation de taille. J'ai nommé Bloc S. Crew. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons sous l'émission Tous la Fada en la rubrique L'artiste s'exprime, l'artiste Jawan. Jawan Lama il te souhaite la oh, bienvenue. Comment tu vas, mon frère Tu ah, de la ah, forme Bon, mon claque, mon Alhamdulillah, Dieu merci. Tout se passe bien, mon frère. Oh. Tout va bien, tout va bien, Dieu Ça fait longtemps que je t'ai pas reçu. Ça fait longtemps que je te vois pas à la télé. Explique-moi un tout petit peu comment les choses se passent. Vous ah. faites partie de ceux qui ont commencé la musique ici ah, Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Dandy, merci vraiment au studio Kalangu de m'avoir accueilli sur ce plateau. Merci à toi, Dandy. Et vraiment, Jawan, de la formation Bloc Escrow. Ça fait longtemps, c'est vrai, on ne s'est pas pris sur. Mais les productions continuent. Les productions, ça les Vidéos, Les vidéos, ça continue. ça ne fait que sortir. Ça ne fait que comme de nuit. comme de eh, nuit, comme d'avant. Il n'y a même pas de souci. Parle-moi un peu de l'artiste. Moi, je te connais très bien. ouais, l'artiste a connu. on sait que tu es déjà confirmé. Ok. je ne devrais pas te poser cette question, mais il faut se dire aussi que en zone un peu partout au Niger, tu es kiffé à travers 46 radios partenaires. Alors certainement, il y a des jeunes qui veulent savoir qui se mhm. cache derrière Jawan. Alors qui se cache derrière l'homme Derrière l'homme, c'est à l'état civil. Moi, c'est Hassan Adamou Madougou. Ok. Et étudiant, élève du côté du CT Asni. J'ai eu mon BTS à et je continue à faire toujours des études. Tu en licence. businessman. Et je suis aussi businessman. Ouais. Et de tout genre. Et, <laughs> et puis nous, Et puis tu es aussi vous Ah <laughs> Jimmy. <laughs> On était avec eux la semaine passée, Diawan. effectivement. Alors aujourd'hui, sur cette émission, tu vas nous parler un tout petit peu de ta carrière, de quand est-ce que tu as commencé véritablement la musique Oui, bon, j'ai commencé la musique en 2000. 2000 Oui, en 2000, j'ai commencé la musique. Ah, il y a euh, cela donc 20 ans Il y a cela 20 ans maintenant. J'ai connu, j'ai commencé la musique euh, avec euh, la formation qui, est toujours actuelle, mhm. Block Escrew. Escrew, on va parler de cette formation, mesdames et messieurs. <laughs> Le groupe existe toujours Oui, le groupe, ça existe toujours. Explique-nous un tout petit peu. Il est où, Mr. Yukon oh, Mr. Yukon, lui, il est de l'autre côté de l'Allemagne, euh, comme il s'est marié là-bas. Ok. Il est marié avec un enfant. Ok. Bientôt, surprise, voilà. Voilà. <laughs> attends, eh, eh, vous voulez me dire pas là que vous continuez toujours à travailler ensemble avec Mr. Eh, Yukon Avec la distance et tout ce qui vous sépare ah, Avec la distance et tout ce qui nous sépare. Ah, comment est-ce que vous faites pour travailler Il vient de temps en temps, euh, tu lui rends visite Il vient de temps en temps parce que là, il y a un mois, 안녕. 어, un mois et demi comme ça qu'il vient juste de quitter le pays. Mhm. Parce qu'il est venu, on a travaillé sur l'album qui mhm. devrait sortir euh, bientôt. Et on a profité à finaliser l'album. On a fait quelques-uns de clips ah, donc Un album de Block Screw et en cours. Un album de bloc escro et en, cours. Et un album de Yukon solo est en cours. Et aussi mon album ah, solo C'est ça qui fait triple l'album de la formation de bloc Tu as ton album qui va sortir, bientôt. L'album de Yukon qui va sortir bientôt. Et l'album de Block Screw qui va sortir bientôt bientôt, Inch'Allah. Voilà, c'est ça qui fait les triple albums en tout cas. Donc on est en train de travailler, ça dort pas parce qu'on est ça tafandi. Donc euh, c'est pour aussi épanouir la jeunesse. Et comme d'habitude, avec Block Escrew, c'est l'ambiance, c'est le message, c'est la conscientisation, c'est tout. Donc on est là pour cette jeunesse, on est là pour le pays, le Niger surtout. Wow. Avant, bien évidemment, le message que tu vas passer à l'endroit de tes fans, à l'endroit des fans de Bloquescura, à l'endroit défendre la musique nigérienne, j'aurais besoin un peu de toi parce que tu as ton style de malade que je kiffe. Tu vas poser ton style sur le beat ou on arrête le beat. Moi, je veux un truc de toi. je sais que tu es trop malade. un truc de la formation Block Crew. Ok, d'accord. Si tu es de barbare, que tu vas prendre quelque chose ou bien de quelque chose que tu vas prendre quelque chose. J'ai vraiment besoin de ton talent sur cette émission, Mister Validé. Ok. Validé, validé. Ah, Validé. Hey. Validé, validé. Validé. Nigga. On est validé. Baburuana, Baburuana. Ne sais que tu penses, Baburuana. Baburuana, Baburuana. Ne sais que tu penses, Baburuana. Continue à nous insulter. Partout où tu passes, tu racontes des ragots. C'est notre musique, putain, on va le faire mal. Si tu sais pas le faire sur la cadence. Je sais que tu chantes bien, mais tu as un autre style en toi que je kiffe. Je ne sais pas c'est quoi tu. Ah non, non, non, tu le style que je voulais. C'est le patois. C'est le patois. Est-ce que je peux avoir un peu de patois ok, d'accord, euh, sur cette émission, mais yeah. parce que c'est important yeah. en fait, parce que je sais que yes, quand tu le fais. Bless out, my nigga, what time? Breathe don't really need span no got time. Babylon, every this span on, then they time. Jah one feeling down, well, this span on. Choose bring, bring this man on, to span them. Baby, don't do become an stand them. Yeah. Dans le studio, on est là pour les bons fans. Boum, boukalaka, boum, boukalaka, boum, boukalaka, boum, boukalaka. Nous sommes à la fin du premier angle, mesdames et messieurs. Nous allons retrouver l'artiste Jawan sur l'émission Franco Zerma. demain. Même heure, même fréquence. Ne zappez surtout pas en cette période sur les radios partenaires du studio Kalango. C'était Jawan, c'était la machine, c'était votre rubrique. Hey. depuis le gift aujourd'hui à Fada On parle de la Saint-Valentin, les nouvelles tendances. 2021 et la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Comment les jeunes préparent cette fête À cette fada, nous sommes avec euh, Madame Binta Hassan, promotrice du gift. Merci encore pour l'accueil. Nous sommes avec Hassana Hassan, elle est étudiante haruna naino il est étudiant également haruna naino inda gare ka kashi est wani na zancan kaman eh, religion ko ko shaye ke shi a shi yanzu ya girma sallah yara ce ya kaga wannan magana tashi ça a évolué, non Maintenant, au vu de tout ce qu'il y a maintenant comme couleur rouge dans la ville, à Niamey, dans les restaurants, on a bien l'impression que c'est pas une fête de gamins. Non, non, non, pas du tout. Ouais. Et à salle le 14 février, haka ne dama wasu suna laɓewa bayan religion mhm. don kasa samu su ma 'yan matansu abunda suke so akwai su diya irin wannan wasu kuma suna ca wata sallar yara ce yake shi wannan abin ba harka wani religion ne ba ba harka wani babba da yaro ba ne ba yau inda halkar ga ka sa kanka cikin soyayya lokaci ya zo wanda kake iya faranta ma budurwar karai karka tsaya ka diba ka ce a'a wannan harkar religion ce ko kuma wannan harkar babba da yaro ne a'a lokaci ne Allah ya haɗa ku kuna tare lokaci ne wanda kake iya alfarma da shi ka samu ka mata abin da take so abin da in ka yi shi a shekara so guda ne zaka yi shi mai ba za a mance shi ba a tsawon shekara takwas tara goma hamsin ban sani ba ko kenan kana iya profite da wannan alfarmar kamata abin da zai sa ta ƙara zawa kusa da kai ƙara kusantawa kuma da kai surtout yanzu dibo a un année ce ka dauka ko année non tu sais ce qu'elle aime si elle aime les parfums si elle aime les pagnes quand ah même oui, tu ah as ah une idée ah Donc, oui bien sûr franchement pour, les pour gars, une personne avec qui vous. vraiment tu as passé plus de temps ouais bai kamata ba ma a ce ka sha wahala din da ka zo dai abinda zaka dauka mata daga ka diba ka sani menene take so menene ranta yake so voilà oui. franchement il a tout dit donc euh, yanzu selon vous euh, madame Binta c'est quoi les indispensables qu'il faut ou comment idée kin ne kuke pas ba mutane bisa kan harkan kado na gani bisa kan facebook a cikin wata page ana gado har da bouquet bouquet de fleurs mais avec des billets de banque tout ça là ça c'est des tendances euh, franchement Comment qu'on a sa ananga mu oh, le client est roi comme on dit mutum ya zo abun da yake so sai mi mishi bai da wani masala komi tendance ne in mm. wanga shekara an yi haka shekara mai zuwa ta sake kuma muna eh, da tare da frontier da yawa kamar nigeria kamar su dakar etusa wata rana abu suna hutowa nan eh, mu ma muna so mu yi kamar su to mana haka ne an kamata a ce kullum abu yana sakewa abu bai kamata ya zamana wuri guda ba eh, mana abu ya kamata ya sake in shekara ga an yi wanga shekara ga akwai abun da ya huta in mutum kana iya sai kai sai kai ko in miliyon ma ka kawo sai mu ne da dama ka mi maka buke <laughs> ka mm, kai mu masoyiyarka amma chocolat chocolat c'est important Natana le chocolat faut pas qu'on qu zappe ça non bon oui le chocolat c'est important aussi bon c'est ça a été toujours d'actualité et tout voilà. Mm. mais bon on a yakara wani peluche wani bouquet de fleurs wani parfum

Donc on va encore plonger dans l'ambiance, cupulent avec les cœurs et tout et tout, avec un german de Charlotte Dipanda et Mr. Shy. Et on se retrouve juste après nos romantiques de la Fada. ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au J'arrive plus à décoller, je calo. cadeau. Allez, à jamais je te veux à ma droite. Effacer tes peurs et tes troubles. Je ferai de toi ma femme. Dans mon palais, t'es la reine, de bébé. Voilà, là, je te jure, j'ai mal J'arrive plus à décoller, j'ai l'eau À jamais je serai à ta droite. T'effaces mes peurs et mes troubles. Je ferai de toi mon homme. Dans ton cœur, je suis la meilleure. tu peux compter sur moi quand t'auras besoin de joie. C'est Dieu m'a bougé, chérie, je suis la l'allumette qui va t'éclairer. Oh, et si parfois je manque les mots pour dire combien tu fais ma joie. jamais, à jamais, la Fada sera avec vous. À jamais, on sera ensemble. Et on espère bien pour nos amoureux de la Fada que cette fête sera hyper belle et bien colorée pour tout le monde. <laughs> Nous sommes au gift. Yo, hira San muke wannan sallar dai ta masoya gift. un inda Oh mon Dieu, il y a des cœurs partout, des peluches, des bouquets de fleurs. Et avec Binta Hassan avec euh, Hassana Hassan et euh, Haruna Naino muke nan muna wannan hira yau don mu ji su matasan wannan ya ne suke nan suna shirya wannan sallah kuma wannan sallah wani sabon yayi ne ya zo a bana ya ne za a ta hira da muke nan gaito kan mu ci gaba da shirin namu zama ba olivier dama shi kuma ya zo mana da kuronikin shi et on se capte Amis de la FADA, bonsoir. Toujours heureux de vous servir avec des chroniques et surtout des informations qui vous aideront le jour le jour à vous améliorer. Et eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons parler des facteurs favorisant la survenue d'une addiction. La semaine passée, je vous ai parlé de l'addiction, la consommation excessive d'un produit dont on devient dépendant. Et comme promis, ce soir, nous allons parler des facteurs favorisant la survenue d'une addiction. Eh bien, l'addiction résulte de l'interaction de facteurs personnels et environnementaux. Elle peut aussi être favorisés par la consommation de certaines substances ou la présence de troubles psychologiques. À cet effet, il existe alors des facteurs liés à l'individu lui-même, par exemple la vulnérabilité génétique, la fragilité psychique et aussi le fait d'avoir traversé des événements marquants, l'abandon ou d'avoir subi des traumatismes, viols, violences morales ou physiques. Ensuite, nous avons des facteurs environnementaux un contexte social et familial difficile, une, une disponibilité aisée du produit additif. Par exemple, la personne vit dans une famille de fumeurs, facilitant ainsi l'accès aux cigarettes. Un adolescent a des amis fumant du cannabis ou de la cocaïne, l'accès à Internet pour la génération 2.0. Tout ça peut rendre additive. Eh bien, une question importante se pose ce soir. Qu'en est-il de la prise en charge de l'addiction Oui, il existe une prise en charge basée essentiellement sur la psychothérapie. Nous en parlerons dans nos chroniques à venir et des traitements pharmacologiques dont l'accès est encore très discuté au point de vue scientifique et économique parce que des fois trop cher. Peut-on donc dire qu'il vaut mieux rester à un niveau 1 de la pyramide pour éviter tous les risques Oui, car dès la première expérience d'amadition, sème des grains que certains germent ou pas. Amis auditeurs et aussi auditrices, ne laissez plus vos additions vous pourrir la vie. Faites-vous aider. Faites un premier pas pour celles qui ont écouté la chronique de la semaine passée et qui ont estimé que l'addiction est un problème masculin, Et eh bien, détrompez-vous. La consommation excessive, presque additive du kaolin, l'aka en Hausa, constitue un vrai problème de santé. Moi, je laisse l'équipe femme s'en charger. En plus d'être plus légitime, elle a plus de connaissances du sujet parce que la santé n'a pas de prix et la santé, ah ben, c'est toujours ce qu'on a de plus précieux. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Merci bien Olivier pour tes chroniques toujours aussi belle euh, belles. Aujourd'hui, c'est beauté, beauté, beauté quoi. Saint-Valentin. <laughs> voilà, la dernière question de cette émission. On va se dire bye bye avec celle-là. Qu'est-ce que vous conseillerez, Haruna euh, Qu'est-ce que vous conseillerez à aux jeunes qui nous écoutent comment bien fêter et tout et tout. À Ganenka, qu'est-ce qu'il faut au fait pour que la fête soit belle En tout cas, en premier lieu, pour mieux fêter et bien fêter, ya kamata a ce mutum kana tare da masoyiyarka wannan shine na harko shi kuma bisa kan harkar kado karka wani ta da hankalinka karka samu kanka abinda baka iya aka ce geste in c'est ça le plus important in ka hara kai geste in kado dan abin da ke gare ka daidai karhinka kar ka sama kanka wani tashi hankali ko na iyayewa za ka samu abin da kake so kuma daidai ka za ya sa ka kai ma budurwarka in Allah ya yarda ko ma ya ne ba kadan bane ba ba ita bace ba soyayyar da ke tsakanin ku kadai ma ta isa ta faranta mata rai bisa kan abin da za ka mata Eh, magana ta karshe zai ga gama masoyan namu da suke shirarren mu a wannan cikin wannan shirin namu a duka jihohin Niger abun da zan ce muku samari tukuna mhm. maza soyayya Allah ya na mutane duka gaskiya an yi dariya wata an yi kuka me kowa ya ta hakuri in dai kana da masoyarka ka yi hakuri wannan ranar ka zo ka sai mata kado dan dai ta ji daɗi kai ma ka ji daɗi eh ku gane ma juna kar ku sa a ranku Que oh la super romantique ton mot pour euh, nos auditeurs amoureux romantiques de la fada euh, mon mot c'est que la Saint Valentin comme je l'ai dit comme je le, dis toujours c'est vraiment une journée exceptionnelle c'est une journée qui fait pousser des ailes qui donne des papillons, qui donne envie d'aimer encore plus. C'est vrai, on aime toute l'année. Mais ce jour-là, c'est une journée exceptionnelle. C'est une journée qui fait que tu te rapproches plus de ta bien-aimée et de ton bien-aimé. C'est une journée qui prouve à l'autre que tu l'aimes encore plus. On va se dire au revoir sur euh, la Fada sur euh, les mots pleins d'amour, pleins d'espoir, les belles phrases de Binta. On va se dire bye bye. Kunjideko. Ita dai sallah San Valentin kama ando da wa'annan wanda muka gayyata suka ce. Sallah ce wadda elle mérite d'être fêter de la plus belle des façons, de la plus personnelle des façons. En fait, chacun a sa façon de. L'essentiel, c'est de rappeler à l'être aimé, de partage. Surtout, d'amour, de, partage. Qu'on tient encore à elle, qu'on pense à elle, et que c'est elle la principale. La principale. <laughs> voilà, donc sai mun ƙara haɗa fuskan shirin mu na tusa alafada gobe zai ku haɗa abokin aiki na don shi kuma zai hira tare da waɗannan matasan dan yaji menene kamar yayi dan tangarɗar da wannan sallah a bana covid ne rashin kuɗi ne menene ma ko shi tare da abokin aiki na don di a huta lahiya amma kada kuma ce lambar kuke iya aiko mana ra'ayin ku bisa kan wannan shirye-shiryen namu 86 Joyeuse fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. On se dit à la prochaine.